Je viens d'être effectivement reçu par Son Excellence, Monsieur le Président de la République. Comme vous savez, j'ai remplacé euh, au poste de secrétaire votre compatriote Maman Sidikou. Et ma nomination a été faite par visioconférence, c'était en juillet dernier. C'est pour dire que physiquement, euh, les chefs d'État ne me connaissent pas. Donc le premier objectif, c'était d'abord de me présenter à eux. Et le deuxième objectif, c'était justement de recevoir leurs instructions, leurs orientations, puisque c'est un nouveau mandat. Donc il me fallait les écouter pour qu'ils me donnent des orientations pour me permettre de mettre en œuvre donc les objectifs pour lesquels l'organisation a été créée. Et je suis très très content des échanges que nous avons eus. Et le président a posé des questions auxquelles nous avons tenté de répondre. Nous avons répondu bien sûr. Et, connaissant l'organisation, il nous a beaucoup encouragé et a souhaité bonne chance et plein de succès Merci beaucoup. On s'est rencontré avec, M. Euh, avec Monsieur le Président afin de discuter de la, participation du, Niger euh, et de, Son Excellence le Président au COP26 euh, sur le changement climatique qui aura lieu à Glasgow, en Écosse, au, début de, au, mois de novembre nous avons parlé des objectifs du, du Royaume-Uni pour le COP26, c'est-à-dire euh, insister sur des, engagements toujours plus ambitieux euh, de chaque pays pour la réduction des émissions euh, euh d'effets à, gaz, à, de, gaz de serre. et deuxièmement, d'insister aussi sur les engagements pour le financement euh, climatique. Nous cherchons à atteindre le 100 milliards de dollars par an euh, pour le, financement euh, climatique qui serait à la disposition des pays en voie de développement. troisièmement, l'adaptation les mesures pour assister les pays à s'adapter au changement climatique et puis d'encourager aussi la collaboration euh, pour euh, livrer les, objectifs qui ont été accordés lors du, COP 21 à Paris. Nous avons parlé aussi des priorités pour le, Niger euh, au COP 26, c'est-à-dire d'abord l'accès au financement climatique, mais aussi l'assistance et le soutien pour l'adaptation euh, du, du, Niger qu'on paye extrêmement euh, vulnérable au changement climatique.